Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Oui, allô. Euh, bonjour, c'est Dina. Euh, Jeanne Pewa Pelema depuis le studio de La Voix de l'Amérique à Washington et Dina Bagay euh, depuis Dakar. Nous allons suivre euh, la deuxième rencontre du groupe C. C'est le premier groupe qui arrive euh, où dont les, tous les matchs se jouent euh, dans la journée. Hier, nous avions eu seulement le premier match du groupe A qui avait opposé les Patriots aux Hoopers. Et là, nous allons suivre le match en direct euh, de Ferrovario de Maputo du Mozambique contre le Zamalek d'Égypte. Sedina, euh, euh, cette journée va nous permettre de déterminer le, niveau de ces des quatre équipes de ce groupe, n'est-ce pas Oui, comme on l'avait dit tantôt, c'est avec les deux matchs à terme qu'on saura les, les forces en présence dans le groupe mais également euh, euh, quelles sont les équipes de ce groupe les atouts, euh, en tout cas, qui ont montré des atouts pour pouvoir faire face aux autres équipes qui sont là en tournoi. Parce que comme tu l'as souligné hier et aujourd'hui, c'est un tournoi qui va permettre de déterminer quelles sont les meilleures équipes d'Afrique en club, mais également qui va permettre de voir quelles sont les potentialités des équipes africaines. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça permettra d'ailleurs euh, aux coachs des deux premières équipes qui ont joué euh, il y a de cela une heure, qui, dont le match s'est terminé à peu près une heure, euh, de voir leur futur adversaire. Donc pour l'AS Douane, ce sera le Maputo Ferroviário, et pour le GSP, ce sera le Zamalek. Et ce match se jouera dans, dans deux jours, c'est-à-dire le 19 mai. Euh, et donc euh, là, on a les deux équipes qui sont présentées. On vient de voir euh, l'équipe des Ferrovario dont on a présenté les joueurs. Maintenant, on attend les joueurs du Zamalek afin qu'ils soient présentés. C'est ce qui est en train de se passer. Et comme je le disais plus tôt, cette équipe du Zamalek part un peu comme une équipe favori. d'abord de par son histoire. Elle a gagné plusieurs afro Basket des clubs champions, faut pas l'oublier mais elle est composée de, de, joueurs qui évoluent ou qui ont évolué dans des championnats assez relevés, euh, avec une équipe euh, dynamique. Euh, euh, L'Égypte a misé aussi sur la jeunesse, ce qui est une très bonne chose, ce qui leur permet de faire des, des, des résultats probants. Quoi. Donc, on a les trois arbitres, malheureusement, on n'a pas leur nom. Euh, mais il faut s'attendre à, une, compétition très relevée de ce match-là aujourd'hui aussi. et ce match, euh, comme tu l'as dit, euh, met en avant deux équipes communes, amies sur la jeunesse, mixées à l'expérience. Les Américains est très attendus Et après ce match, en tout cas avec ce match, on verra si euh, le pari de cette équipe égyptienne là va permettre d'aller jusqu'au de Oui, tout à fait, tout à fait. On va voir, euh, on va pouvoir euh, euh, regarder la qualité, la qualité de jeu. C'est vrai que nous espérons que la différence de niveau entre les deux équipes ne sera pas trop grande, que ça puisse nous offrir un match de très bonne qualité. Euh, ce serait une bonne chose non seulement pour la Ligue africaine de basketball, mais pour euh, le public qui suit euh, euh, tous ces matchs, que ce soit à la radio, en bande FM ou qu'on appelle ça à la télé. Et nous espérons voir un match un peu du genre du match de l'AS Douane. Ah, je vois que l'une des arbitres, c'est une dame. Ça doit être l'autre qui n'a pas, dont, dont, tu as parlé hier. si tu pouvais redonner son nom encore une fois. Oui, oui, ouais, parce qu'hier, on parlait de. Euh, Leslie Chérubin, je crois. Marie, Marie, euh, Marie Leslie Cherubin, si je ne qui est une Mauricienne, certainement c'est une des deux qui va officier ouais, ouais, je crois que Je crois que c'est elle, parce que c'est. Je ne penses pas que ça c'est à ah, attends. Ouais, non, non, c'est peut-être à Donc elle, elle arbitre son deuxième match aujourd'hui. Euh. Aïcha euh, Aïchatou Jai. Aïchatou Jai. On dirait que c'est, ouais, on dirait que c'est elle qui arbitre le match encore aujourd'hui. Je pense pas que c'est ça la. Ah non, c'est Marie, monsieur Rubin. Ah, c'est elle, hein. Donc c'est une Mauricienne, ok. Ouais, parce qu'Aïchatou Jai, elle a des, elle a une, euh, elle a une chevelure un peu plus dense. Ouais, ouais, c'est vrai, elle a, elle a les cheveux très euh, courts. Donc euh, les, dames sont à l'honneur, là. Hein, on a. On a des dames dans notre ligue euh, de, euh, africaine de basketball, c'est fantastique. Et en tout cas, on verra comment ça va se passer. Ça montre également qu'au niveau continental, on, fait, on, fait, confiance aux dames, mais également à leur mérite. Parce que arbitrer à ce niveau-là, au-delà de euh, l'aspect genre, c'est du mérite. Tout à fait. Tout à fait. Pour euh, arbitrer à ce niveau, on ne peut pas faire dans la dentelle, ça doit être du haut niveau. Et donc là, il y aura le, coup d'envoi qui va être donné, l'entre-deux entre les deux équipes, les cinq majeurs de chaque équipe fait leur entrée. D'ailleurs, c'est euh, Madame Chérubin qui va qui va faire l'entre-deux, donc euh, l'honneur lui revient. Et je suppose que les choses se passeront euh, euh, très bien dans ce match, en tout cas. Euh, les joueurs euh, on, on l'espère, en tout cas, on espère que ce sera un match relevé. Tout à fait. Tout à fait. va permettre d'avoir une poule très animée. Parce que tout à l'heure, on l'a vu avec les deux équipes, même s'il y avait une domination de l'Asdon sur la fin de match. Ben, le match va commencer. C'est là le match commence, donc on va aller en direct et on se retrouve après le premier, premier carton et par Mohamed euh, Mohab Diasser avec Walter Hodge. plus puissant directement à la raquette. Physique, hein. vous directement l'engouement. Dans la peinture et c'est manqué, mais le rebond et le ballon qui finalement est capté par la, la défense euh, des, locomotives avec euh, le jeu rapide de Kabongo. Oh Ah, ça fait plaisir de voir. Je vous avais dit, Maputo, ça. Alors, première action, ils sont déjà en semi-contre-attaque. <laughs> Mais par contre, de l'autre côté, il y a le big man Anas Armour. Regardez-moi ce contre. Ça, va courir, ça va être agressif. Et le ballon encore pour euh, Kabongo au-dessus. Euh, ballon récupéré par Walter Hodge qui euh, a tenté de mettre de la vitesse mais finalement il va, il va temporiser un petit peu à, à l'opposé avec Yasser. On revient à l'intérieur. on exécute le game. C'est bien construit, c'est patient et en force le petit pas supplémentaire. Ouais, c'est la, deuxième action à l'intérieur. On sent que ça fait partie du game plan. Ils ont bien raison. Il y a une différence de poids et mieux vaut euh, justement travailler sur, cette, sur cet avantage dès le début du match. Et c'est le premier panier de la rencontre à mettre à Ah, Alors, Vous, voyez, on est déjà en presse souterrain. Oui, c'est très très haut là, défensivement. On est, déjà, assez haut. On sait bien que Walter Hodge, c'est quand même lui qui va faire le jeu euh, en attaque comme en défense. Il a vraiment une mentalité euh, de, de, faire tourner son équipe. Et un nouveau coup de sifflet, vous parliez de Walter Hodge, c'est la relation qu'il va falloir regarder et c'est ça qui nous a pas mal impressionné durant les, les matchs d'entraînement avant le début de la compétition, la, relation euh, poste bas, poste haut, la relation euh, entre le meneur euh, Hodge et, et son pivot Marmot. Ouais, on a bien physique, hein. Ouais, ouais, il y a le petit coude, la petite, euh, la petite aile de, comment on dit <laughs> De, de Chicken, j'ai envie de parler en anglais, mais vous allez voir, avec son coup de gauche, voilà, il écarte une fois ou deux avec son coup de, euh, son, son, de, gauche, pardon. Le ballon pour, euh, pour Maputo avec Kabongo. de Marcus Holland. C'est l'américain de cette formation Mozambiken. bonne défense de Walter Hodge. Très bonne défense pour l'instant. Tiré. Kabongo, main gauche. Euh, et le ballon finalement qui ne, qui ne rentre pas. Pas payé pour l'instant euh, Mike Kabongo. Ah, et trois actions de Maputo en fait avec des shots un petit peu forcés, un petit peu élevés. Il n'y avait pas Marmoutanas dans la, raquette, mais pour l'instant on n'a pas eu un shot de qualité. De l'autre côté, regardez la patience. Ça peut changer. et la patience. Alors ah, finalement, double team là. Ah voilà. Ils ont été agressifs sur le double team, bien joué. Mais ça faisait encore une fois hein, une action en plus qui joue à l'intérieur. On continue en fait à forcer à l'intérieur. Enfin, dit mais forcer, ils ont bien raison. Avec l'avantage de taille et surtout de, force et de puissance. Allez, remise en jeu avec euh, de Marcus Holland. Côté euh, Maputo. Le ballon toujours remonté par euh, Mike Kabongo. Ah, une bonne pression. Kabongo. Ah. ah, ils se sont mal compris. Mais ballon toujours pour euh, Maputo. Le drive et nouveau coup de sifflet. On aura probablement l'occasion, euh, j'espère, euh, lors d'un petit temps mort, de vous parler de ce jeune homme parce que c'est le plus jeune de la compétition, à peine 18 ans, et c'est un vrai prospect côté égyptien parce que Mohamed Yasser, il, il sera l'année prochaine en NCA à East Tennessee State avec les, les Buccaneers, donc à surveiller. il est passé par toutes les étapes. Et il est déjà en équipe nationale d'Égypte. Et le ballon récupéré finalement par euh, Massa l'Espagnol. Mais euh, bonne défense, le bon retour défensif de, et regardez le drive. Euh, ça, c'est une action euh, positive. Le, retour défensif de Marmoud. Et puis de l'autre côté, l'autre star du jeu, Walter Hodge, qui termine dans la raquette. Et eh, vous savez quoi, Jacques C'est intéressant parce que on s'attend à ce que ce soit Hodge qui, qui donne le ballon à Marmoud pour scorer. Et là, c'était le contraire. C'était euh, Marmoud qui défend. Ça en dit beaucoup sur l'expérience aussi, sur la mentalité de cette équipe pour l'instant. C'est une équipe qui peut prendre toutes les formes. Je vous ai dit, Anas Marmoud, c'est quelqu'un qui va vous impressionner. Et là, déjà, sur 5 minutes, il ressemble à un Mutombo <laughs> Dikembe Oh, dommage. Avec euh, ce ballon finalement récupéré par euh, Massa. Massa, bah certes il est espagnol, mais c'est pas un ajout de dernière minute. Ça fait deux ans qu'il joue avec euh, cette équipe de, Maputo, euh, la la, capitale du Mozambique. Et un euh, nouveau panier pour Maputo avec Alas Marmoud qui essaye de se saisir du ballon. Un ballon qui sera vert, qui sera pour les locomotives. Le score, un petit panier d'avance pour l'instant pour les Égyptiens des Zamalek. Une possession d'écart dans ce tout début de rencontre. Deuxième journée de la, de la balle ici à Kigali. Ah ben vous voyez là ce qui s'est passé, on a joué beaucoup plus haut avec des écrans. Donc Anas Mahmoud était en dehors d'un des trois points, il n'a pas pu, euh, pour, pu, aider comme, comme il se passait et un lay-up. Là je pense qu'ils sont peut-être en train de découvrir une, stratégie pour justement leur permettre d'attaquer la raquette sans devoir faire face au géant. De Marcus Hollande qui s'est... Euh, voilà, c'est ça. et euh, ça, grosse défense encore. Ah, le, l'Eurostep un petit peu <laughs> difficile pour Mouchaté Bien défendu, hein, par, euh, Il est un petit peu trop lourd sur ses pas là. Il faut être un peu plus, euh, <laughs> un peu plus léger si on veut. Et on pousse Baseline, bien revenu. la Smarmoud, le petit euh, drop shot au-dessus. Magnifique. magnifique. Alors si, je peux dire, il a la taille, on va dire, d'un centre, mais il a le toucher à l'intérieur plutôt d'un port fort. Là, on va revoir sur son mouvement. Il, lit très bien parce que vous avez vraiment deux jours qui viennent renfermer et il termine avec un superbe shot gros contre, mais c'est pas terminé. Deuxième chance, non, c'est un petit peu court et le rebond ah, pris hein. par euh, Eslam Salem. Oui, ça court. Salem. Salem, ballon perdu et récupéré par euh, Alvaro Massa. Massa tranquillement face à, Mahmoud. Elle est en dehors de la raquette, voilà. Bon travail de post op Avec de Marcus Hollande qui est venu se, présenter. Ça circule vite et le tir qui est pris un petit peu court cette fois et encore. Le rebond de Mustafa Kedjou ah, il faut qu'ils prennent leur temps, Maputo. Il ne faut pas qu'ils jouent trop rapidement. Ah, les deux équipes, à un moment, vont avoir besoin de souffler. Hein, parce que là, on est, on est très up-tempo. Hein. Ça joue, on sent, comme on le disait euh, à l'entrée de match, ça joue avec euh, la passion ce soir. C'est le premier match, qu'on veut faire, euh, on peut faire énormément. Mais là, à mon avis, là, pour Maputo, mieux vaut se calmer, commencer à réfléchir et revenir dans ce qu'on veut faire, exécuter en faisant sortir surtout Anas Mahmoud de la raquette. travail, Pour l'instant, en faveur de, Zamalek. Et voilà 3 points dans le corner par Alvaro Massa. Ah, regardez, là on joue vraiment point forward, comme on dit en anglais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que fait par exemple Yanis Antetokounmpo. Voilà, exactement. Votre big man ramène le ballon, on sait qu'il ne va pas être sous pression. Et euh, le petit, euh, la petite claquette euh, justement d'Alas Marmoud qui pour l'instant est l'homme de ce tout début de, match, défensivement comme offensivement. Un petit drop shot encore. Cette fois, oui, très vite. <laughs> vous, avez, peut-être vous soufflé plus rapidement que Non mais Jacques, c'est ce que je me disais. On est en train de dire, ils sont un peu up tempo. Peut-être que nous aussi, donc peut-être que nous aussi, il faut, qu'on pense à tenir la semaine. Hein. D'accord, d'accord. Je resserre ma cravate. Alors, me un petit peu. <laughs> Allez, Waterhouse qui va prendre le shoot, uh, around and out pour uh, Walter Hodge. Ouais, c'est euh, long cette fois, mais nouveau coup de sifflet. Il y a, il y a Inelcio tiré qui dit oui, enfin, un coup de sifflet pour nous, mais bien sûr, oui, monsieur. Oui, les arbitres. Exactement. Ils vont avoir besoin, Maputo. Ils vont avoir besoin de ces gardes, euh, qui soient actifs et réactifs. Allez, on va faire une très courte pause, on se retrouve euh, tout de suite après. Donc euh, l'équipe égyptienne prend son premier time-out après son premier euh, temps mort après quelques minutes de jeu. Le score est, est très serré, 10 à 9 pour le Zamalek. Euh, pour l'instant, le, les deux équipes se tiennent puisque c'est le <laughs> début, c'est le premier carton. dans le temps, on verra comment le jeu va évoluer à partir du deuxième, du troisième carton. On verra si ce match sera disputé de bout en bout ou alors euh, une équipe euh, ou, alors euh, une équipe prendra le large et, essaiera de dominer son adversaire. Mais ce qu'on a pu constater du côté égyptien, on a vu à, Anous Mahmoud, qui est un power forward, mais qui joue réellement comme un joueur de, de champ avec un très bon dribble, qui est très présent en défense avec euh, des blocs et sur le plan offensif aussi, il fait, il fait vraiment du très bon boulot. Il fait vraiment du très bon boulot et euh, il est, c'est un joueur à suivre et qui sera à suivre aussi durant l'Afrobasket euh, qui se jouera fin août, début septembre à Kigali. En tout cas, les deux équipes reviennent sur un plan, euh, leur jeu, il y a les moi, plutôt que' de jouer rapidement, mais je crois qu'ils devraient peut-être plus s'organiser. Mais chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire une contre-attaque, c'est à eux de prendre, euh, euh d'en tirer avantage et, d'y aller parce que la raquette est vraiment protégée par Mahmoud qui, qui s'assure qu'il euh, soit là. D'ailleurs, on repart dans le match. Les deux équipes sont de retour sur le, Hein. sur le plancher. Un point et le meilleur marqueur, eh bien c'est Anas Mahmoud avec 6 points pour l'instant. Euh, Zamalek qui a mené de, de deux possessions de 4 points, mais Maputo qui a immédiatement euh, recollé. on dirait c'est le boulot d'une locomotive hein, de, d'être <laughs> dans le rythme. Euh, bref, on a un match très, on le disait, hein, très très rythmé justement, très intense parce que ces deux équipes, on le sait, ont immédiatement compris l'importance de cette première rencontre. Ouais, exactement, j'adore la présence d'Anas pour l'instant qui n'est pas seulement défensif, parce qu'il a quand même été exceptionnel euh, euh, de, ce côté-là du terrain, mais aussi offensif. il, est, un moteur. Cette équipe de Zamalek est en train de prendre ce rythme, mais comme on l'avait dit, il faut faire attention à Maputo, ils ont du cœur. Allez, le ballon pour euh, Walter Hodge qui lance très vite devant en direction de Esham. On va sur du low Allez, faut continuer. Fakouadé Fakouadé avec euh, Mohadi Asser Yasser. c'est un petit peu compliqué là. Il était, il avait eu du mal à se situer par rapport au cercle et euh, ça aussi c'est un peu forcé. Walter Hodge qui va jouer le 1 contre 1. Walter Hodge qui patiente, c'est bien joué ça. Tout le, QI basket de Walter Hodge qui a attendu que le gros saut sorte de ses appuis pour déclencher son exactement. On a eu trois actions en 15 secondes et encore une fois Mabuto fait l'erreur d'aller trop vite, surtout quand il y a. Alors Mahmoud, vous avez entendu son nom, je crois, 10 fois sur les <laughs> mais il faut pas aller trop vite quand il est dans la raquette. Il faut continuer à jouer et pas trop, pas plonger trop rapidement sur son layup. Hollande qui va prendre le shoot, hein, manqué de peu. Et pour le rebond, water Hodge le mieux placé. bon box out. Exactement le, l'écran en retard ah, de Walter Hodge. Et pas de faute, sifflé. Et Massa qui euh, joue la contre-attaque à deux contre 1 avec Hollande euh, Ces deux-là, pour l'instant, pèse sur le jeu et permettent justement à Maputo de rester au contact 12-11. Ah, j'adore. Hein. Pour l'instant, la patience de Walter Hodge offensivement, c'est vraiment impressionnant. Regardez, là, on peut parler de ce fameux. <laughs> Ah, il a peut-être, alors pardon, il a peut-être un peu vendu un peu cher cette petite faute là, mais bon, il l'a quand même eu. <laughs> Il l'a bien vendu. Peut-être qu'on va voir le ralenti. C'est ce que disait tirer Tiré, il dit non, non, j'ai touché que du ballon. En tout cas, euh, match comme on l'espérait, très très serré. On a peut-être des, petits soucis euh, techniques pour euh, envoyer le ralenti, mais ça va être réglé dans, quelques instants, rassurez-vous. Il reste deux minutes à jouer dans ce premier carton, deux minutes et un point d'écart simplement. Le ballon pour, pour Solo. Oui, et ça c'est court. Solo Diabaté qui est rentré avec son numéro 1 pour venir euh, épauler euh, Walter Roach. Walter Roach euh, défendu très haut, mais ça libère. C'est important ce shot. Oh là là, c'est très très important parce que c'est vraiment le mouvement offensif que vous voulez trouver. C'est un, écran, un pick and pop simple. Si vous ne marquez pas ce shot à trois points en tant qu'intérieur, maintenant la défense va pouvoir s'ajuster et mettre beaucoup plus de pression sur Walter Hodge. Parce que ce qu'avait fait Walter Hodge était intéressant. Il avait aspiré deux défenseurs, libéré le shooter qui pour l'instant n'a pas mis, mais hey, ils s'en sortent pas si mal, Samalek, parce que deux lancés quand même. Ouais, ils ont un avantage. Ils ont un avantage pour moi au niveau euh, physique et donc sur, sur les ils ont une présence au rebond offensif qui est très très intéressant Quand vous venez de le voir, Anas Mahmoud est descendu et ça, ça va être intéressant de voir comment Maputo va pouvoir, on va dire, exploiter maintenant peut-être quelques ouvertures dans la raquette. Le premier lancé est manqué pour euh, Junior euh, Elonou. avec un beau gabarit, hein, Champion de la, BCL avec euh, l'AEK Athènes il y a quelques saisons. Il était passé par Pau pour, euh, pour ceux qui s'en souviennent. Ah, solide comme un. Ah bah ah, ah, il est très très solide. Hein. Euh, si vous <laughs> si vous le percutez, lui il bouge pas. Hein. Vous avez une jambe cassée, mais lui il n'aura pas. non, mais il va, il va nous le démontrer, à mon avis. Junior Elonou, il est annoncé à 2m08, euh, né au, Nigeria, passé par euh, Texas euh, AM, les, les, les Aggies, jusqu'en 2009. Et puis après une très grosse carrière, hein, Saragosse, Po, Pau, euh, la Ah, il a hein. ah, roulé, Il a il a roulé il, a bien roulé. Solo Diabaté aussi, il a roulé. Solo qui met le ballon ligne de fond tentative de dunk là, mais euh, nouvelle euh, intervention des refs. Assez solide à l'intérieur. Hein <laughs> le sourire. Eh, bonne ambiance. Il y a bien l'ambiance, mais je crois qu'ils commencent à, le sentir, euh, nos amis dans la raquette au niveau de Maputo parce que ça pose, s'il y a du rebond offensif. Alors euh, avec Anous Marmoud, c'était un peu plus encore en finesse, on va dire, parce qu'avec sa taille, etc., il est assez longiligne. Longiligne, pardon, mais avec Junior et Lenou sur le terrain, ça va, ça va monter en fait, ouais, en agressivité. parce que c'est grand et c'est large, c'est large, c'est large, Et ça fait dissuasion. Hein. vous arrivez dans la peinture, euh, vous dites mais je passe par où C'est une sorte de Morning. C'est ça. Voilà. Par où je passe en fait <laughs> bah, Il faut faire le tour. Et c'est pas simple. Ah, il fait bien le boulot. Il est monté avec euh, avec une bonne attitude, avec une bonne intensité. C'est un joueur qui a plus de la Hein. Et là, il rentre vraiment avec, ce qu'il faut. Absolument, Junior euh, Elonou, il a 34 ans exactement. Et le score désormais, une petite possession, euh, une grosse possession on va dire d'écart, parce que c'est 3 points, 14-11, une possession d'écart, il reste une minute et, et, 10 secondes avant la fin de ce premier carton, le ballon pour, euh, pour les locomotives avec de Marcus Hollande. Hollande défendu assez haut par, Solo Diabaté mais qui trouve euh, la solution avec euh, ce petit ce petit tir au périmètre c'est pas des tirs faciles ça c'est pas des tirs faciles je dois vous avouer que là pour l'instant Maputo joue pas spécialement bien euh, bien pardon mais ils arrivent à marquer les paniers qui les gardent parce qu'on regarde le score on est à 14 13 on aurait l'impression qu'il y aurait plus, plus Jacques Jacques il reste 46 secondes possession Maputo l'occasion pour eux de passer devant exactement vous avez dit, hein, ces gardes-là sont petits, mais ils sont vifs et ils n'ont pas peur de prendre leurs responsabilités offensivement. Allez, le ballon dans les mains de, Marcus Hollande. On est reparti probablement sur la même. et c'est physiquement face à Solo c'est intéressant. De, le premier pas de Hollande, il est très vif. Allez, tentative à trois points. Allez, Gamel, ah c'est manqué par euh, Milton Keifash. Ouf, il était ouvert. Hein. C'était une action ouverte. Dommage pour Zamalek, il était tout à fait ouvert. Ça, c'est souvent les mains des big men, vous savez, rebondeurs. On appelait ça un peu, il a un peu les mains carrées. Ils ont encore du mal à aller euh, absorber le ballon. Eh, ils ont, heureusement, les big men n'ont pas tous les mains carrées. Hein. <laughs> Allez, de Marcus Hollande. Il reste euh, quelques secondes. On va jouer la possession jusqu'au bout et tenter de passer devant à la fin de ce premier carton. Hollande, la petite passe, la pocket par où Le gros contre, on vous l'avait dit. Junior et c'est pour ça qu'il est là. Et derrière, le jeu rapide en contre-attaque. J'applaudis parfaitement exécuté de la part de Zamalek sur cette action. La grosse présence défensive de Junior Elonou et derrière le réalisme pour venir scorer quasiment au buzzer et rester devant 16-13, fin du premier carton. Alors, un premier carton un super premier carton entre euh, euh, cette équipe euh, de Ferro Vario de Maputo contre cette équipe de, Zamalek. Le score est assez serré. Eh et donc le Zamalek mène de trois points. Et donc on va, pour le moment, cette, cette partie a très bien démarré et elle est très bien disputée. Euh, on peut voir la différence au niveau de la défense euh, à l'intérieur de la raquette euh, de la raquette euh, de Zamalek, il est très difficile d'aller au panier facilement. Donc il appartient à, cette équipe de Maputo de faire les ajustements pour faire sortir les grands adverses pour pouvoir faire des pénétrations, Sedina. Oui, autant tout à l'heure lors du match de Lisbonne, on parlait de l'absence d'intérieur euh, véritable euh, dans l'équipe sénégalaise. Autant dans ce match-là, on se rend compte que le Zamalek a misé sur euh, un système avec des, des, grands dans la raquette, mais pas des grands qui sont qui ont des déplacements lourds. Mais on a vu avec, par exemple, bon. pivot dont tu parlais avant le match et, qui est assez, assez habile. Anas qui est assez habile et aussi assez vivace pour un, pour pour un, pour un pivot de sa taille. Tout à fait. Mais bon, euh, ça, ça montre un peu qu'ils ont mis misé certes sur la taille mais également sur l'explosivité parce que ce sont des intérieurs qui ne sont pas aussi statique qu'on pourrait l'imaginer, ce qui donne du fil à retordre à l'adversaire. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est impressionnant quand même de voir un, un grand de cette taille être capable de, de, de, de, de non seulement de, de courir, mais de bien dribbler. Il monte le ballon, on, croirait que c'est un meneur et, et, il est à la fois efficace sur le plan défensif que, que le sur, le, sur le plan euh, offensif parce qu'il marque des points. Donc on repart là. pour... Il est habile des également. Il a, mis en flotteur. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, la deuxième carte, on va reprendre. On va voir si euh, cette équipe de Ferrave va continuer à coller euh, le Zamalek jusqu'à la mi-temps simplement, on a un match. Et on, a, on avait parlé de l'avantage de taille du côté de Zamalek, mais pourtant c'est Walter Hodge qui en a pris 5. Ça, ça peut vous dire qu'ils sont préparés, qu'il y a des boxing-offs. Une équipe qui prend des rebonds, c'est une équipe qui, qui, met un pas vers la victoire. Mais par contre, de l'autre côté, pour vous rejeter un petit peu, c'est les pertes de balles, justement. Et c'est là, 9 pertes de balles de Zamalek. Inacceptable. On pense en temps dans le coaching, on veut bien offrir à son équipe 11 pertes de balles par match. On est déjà à 9. C'est vraiment quelque chose à où peut faire la différence. Ah, il en reste deux, non <laughs> Ils en ont deux. Ils en ont deux, sinon vous vont des soucis si moi j'ai le je peux vous le dire. <laughs> Non mais euh, franchement, c'est le match qu'on espérait et c'est le match que, que vous pouvez suivre en direct sur... Euh, theball.com notamment et ce premier shoot magnifique de l'Espagnol pour euh, égaliser immédiatement en termes de deuxième carton 16 partout quand je, vous disais à l'instant qu'il y a match euh, Solo Diabaté qui donne le ballon à l'intérieur à l'opposé maintenant pour euh, Echam Echam pour euh, Diabaté, la petite fin de le Diabaté qui va déclencher son tir, manqué de peu et le rebond par euh, Alvaro Massa qui met énormément de vitesse le jeu de transition. Ah oui, le l'expérience Ça c'est l'expérience qui joue le 3 contre 2, solide sur ses jambes, il n'a pas été trop vite, il y avait un avantage de Derek dans, son 1-2 et il a été jusqu'au bout. Vous savez comment on dit un costume post en espagnol. Hein. <laughs> non mais je vous écoute, je vous écoute, attention. Atlantico Pacifico. Ah. <laughs> vous avez tout à fait raison. Et on sent, hein, Maputo prend confiance. Anas Mahmoud n'est pas sur le terrain. Il est capable d'ailleurs de courir, de couvrir ça défensivement. Mais là, on a perdu. On a, on a autant de la puissance. On va recevoir, revoir cette action. Ah, Walter qui a quand même fait un boulot euh, exceptionnel en, en à travers quatre joueurs. Et puis de l'autre côté, fameux 3 points d'Alvaro. Je regardais les, fautes. Anas Mahmoud, il n'a pas de faute hein, pour l'instant. Donc euh, simplement, il est ménagé c'est la grosse action Junior et Nono. Là, il y, a un homme entre les hommes. Hein. Je vous disais avant la rencontre, je serais très curieux de voir Junior et Elonou parce que moi ça fait longtemps que je l'ai pas commenté, que je l'ai pas vu jouer. Et eh ben je suis pas déçu. je hein. <laughs> Je suis ah, pas déçu. ah oui oui oui. Oh ça c'est beau, ça c'est très beau. Et regardez le, le signal envoyé par de Marcus Hollande qui dit attendez attendez les gars, <laughs> on est là. Ah, il y a du, culot, du culot pardon, dans, dans ce shot. C'est un shot qui fait du bien. On aurait pu euh, avoir une petite faute parce que la défense était quand même dans l'espace personnel du joueur.